di jël ay xalaat du samay morom samay xarit ñu nga melne ñom ñoy ñooy ay observateur aigus de la vie politique na yow Sidi euh, Sidi ak euh, nu traité euh, Sidi Sidi Sila bu may nak étudiant fi xam xam nga ñu bu baaxa baax sama prestation serment au barreau de Paris bok nga ci ñu nga melne ne ñoo fa ñu en tant que ami di ma di fa di fa di ko assister donc tay ñu ñew ba bok ci coalition bu nga melne mo nak nekk coalition bu gën mag Sénégal tay ñu bok ci le bon côté de l'histoire dañ ci wara a sant yàlla santaale képp ku nga xamante de près ou de loin bokk nga ci nga xamante xelal na ma pour ma jël boobu yoon loolu moo nekkoon vraiment les moments occasion bu ma am pour gërëm leen yéen déjà yéen presse bu Paris bi parce que yéenay suñu premier interlocuteur ici au niveau de la de la France donc vraiment di leen sant di leen gërëm campagne bi nag sincèrement yàlla xam na ko dama ko doon def de loin à travers les combats judiciaires de Ousmane Sonko et de ce qui se passe depuis 2021 avec la crise ma jël mon point de vue en tant qu'avocat défendre l'état de droit défendre la démocratie jël de vue intellectuellement et par rapport à ma posture d'avocat ma sais ne lépp ma que par rapport à sama analyse bopp lu le la pour le Sénégal Warna jël ma voix en tant qu'avocat et la plume pour bind wax le ma Le Defnako, bala ñu egg la question euh, proprement parler de l'électorat là de l'électorat mais engagement par rapport au discours et au parcours de Ousmane Sonko ma gis que le projet PASTEF c'est un projet projet de rupture mais qui est adapté et qui est conforme aux objectifs du moment mu un discours qui a été adapté par la jeunesse sénégalaise ma gëm ko rejoindre len au moment où c'était pas évident gaay Sonko dé voilà wala Sonko du ñun nag ñu gëm Yalla, gëm Sénégal xam na quoi qu'il arrive on s'engage dans cette voie-là parce que le Sénégal avait. Mais, mais, mais, mais Pape, c'était un pari risqué quand même, hein, parce que la candidature de Sonko n'était pas de... assurée. Hein. Mais xam nga bo jappé ce lépp nga teg ko ci yoon bo jappé ce lépp teg ko ci yalla gëm yalla bu nga xamante mom lañu andalon ñu donte risque zéro amout mais dañuy xamné boy nekkee ci yoon nekk ci dëgg rek même boo ko ñàkkee même bu fekkee ne comme niñ ko gaay di waxee boo euh, soo ko bokkul wala amuloon kanda on allait on allait pas regretter parce que dañuy xam ne on était du bon côté de l'histoire que askan yu lañ doon taxawal ce n'est pas nos propres petites personnes qui comptaient mais c'était le Sénégal qui comptait et que lu ma lay wax ni euh, Sidia la la plus cocasse des choses c'est que la veille de mon départ au Sénégal mooy que jour bu ma war a dem Sénégal pour commencer campagne jour boobu la Macky Sall taxaw le trois février maa ngi def samay valise pour préparer wu <laughs> ñu ne Macky Sall day wax ci la Macky Sall jël décret bu mu jëloon pour ne daxal na élection yi te déjà man fay naa sama billet préparé wu naa jël na def naa omission par rapport à mes permanences de garde à vue de comparution immédiate de tout ce que de devais faire et de l'organisation du cabinet ma xam ne ne fii moom dem rek moo am tout en prenant l'avion, en connaissance de cause je xam ne ne ma Sénégal campagne du am mais dama ni que comme le recours est fait et que le recours est suspensif et que légalement le Sénégal était dans une période de campagne électorale nous l'avons eggee Dakar le 4 février avec le vol Air Sénégal vers 15 h nous l'a demandé directement au niveau du siège de Djombaï président qui l'a la première ministre Aminata Touré a été arrêtée par la police lors d'une manifestation le même jour le matin pour justement protester contre le décret illégal de Macky Sall du 3 février 2024. Jour directement madame euh, fekk ci tous les leaders de la coalition ñoom Mamadou Lamine Diante nous avons Mbodj Biram Birame Diop nous avons le le directeur cabinet Marie Teuw ci gi comme Mimi Touré dañ ko ci la jël directement engagement mené jël na engagement en tant qu'avocat tay tay parce que jour boobu la ñëw le 4 février ma ngi dem bu fekkee ne dañuy placer la premier ministre en garde à vue je m'engage à l'assister et à être son avocat immédiatement ci lañ def délégation de la coalition bu joggé siège ba au niveau des HLM 4 en face de la police de Gepel, pour dem au niveau de la gendarmerie de Wakam, et euh, de de Ouest buñ fa ak délégation je président bu nga au niveau de de de la gendarmerie les gendarmes qu'on a trouvé à la porte ñu kenn du dugg avocat <laughs> yalla def <laughs> man le seul avocat ma constitué immédiatement pour avocat ci la autorisation en tant qu'avocat ma dem ma def benn entretien de plus de une heure de temps au niveau de la gendarmerie de Wakam ci l'a demee laajte à la Première ministre les conditions de sa de son arrestation parce qu'elle elle n'était pas encore placée en garde à vue waxtaan ak moom waxtaan ci lu bëri nag ci la ma wax nag su ma génnee ma mën a def benn publication dalal xelu sénégalais ne leen vraiment elle est en bonne situation que dara dalu et que elle est plus que jamais déterminée à apporter des changements au Sénégal moi, je nekkoon vraiment quelque chose d'extraordinaire le jour où je suis arrivé ma suis déjà dans le bain Tu l'as profité aussi euh, euh, en même temps dem seeti euh, Anta Babacar qui était dans les mêmes locaux que la première ministre Mimi Touré nuyu ko sàmmante aussi dans quelles conditions elle était au niveau de la gendarmerie Lolo, et que nous aussi au niveau de la coalition on avait demandé à ce que vu que légalement et que les textes nous le disent malgré le décret du président Macky Sall du 3 février, qui est contesté, donc la contestation étant un motif de, euh, euh, suspensif, justement, donc légalement, nous, ou à coalition, on était, pour nous, on était toujours en campagne électorale, légalement. Mais les policiers, chaque fois que nous gagnons, nous, leaders, pour débattre campagne par rapport à notre devoir de résistance, on était tout le temps justement euh, surveillé par la police. Et donc, même ce pour même rejoindre la coalition au niveau du siège et pour ensuite les après-midi, on devait aller dans les marchés pour distribuer les flyers et les, spécimens des Bassir Diomaye Diakhar Il y avait tout le temps cette peur-là qu'à tout moment, on pouvait être, on pouvait être arrêté et stoppé. Et donc, euh, comme vous le savez, ça m'a beaucoup il fait que partout, vous me sur les réseaux sociaux, immédiatement de recevoir plus de mais centaines de messages au euh, WhatsApp Papa maman attention on a besoin de toi euh, à ce régime là donc vraiment on était dans une situation où on résistait mais les messages même des amis qui sont un peu partout dans le monde qui nous envoient de faire attention mais te rendaient un peu parfois même euh, perplexe mais la détermination qu'on avait ne pouvait pas nous faire reculer